Monsieur, bonjour. toujours euh, très heureux de vous, rencontrer. après une, euh, un long train international. Nous revenons encore ensemble pour euh, d'autres aventures et notamment euh, ce match contre le Madagascar comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la, de la CAN 2019. sans plus attendre, je vais vous donner la liste de 25 joueurs qui seront concernés par ce, par ce premier match qui aura lieu euh, à Thiès le 23 mars contre Madagascar. Et puis un match amical contre, euh, contre le Mali qui aura lieu le 26. Nous nous regrouperons à partir du 18 mars, lundi 18 mars, ça sera à, Saline, où il y aura le camp de, base à l'hôtel Rhinoceros. On donnera le, programme, mais je, pense que sur cette semaine-là, il y aura un entraînement par jour, parce qu'on est au mois de mars. Comme vous le savez, au mois de mars, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de joueurs dans le club qui jouent aussi des, moments importants. Certains vont monter, certains vont descendre. Il y a aussi, aussi cette faculté, cette, euh, ce problème euh, physique. Parce que c'est des périodes, vraiment des périodes très compliquées pour nos joueurs. Donc on va alléger un petit peu les entraînements. D'autant plus qu'on a deux matchs. Donc euh, sans plus attendre, je vous donne encore la liste. Edouard Mehdi, Alfred Comis, Djali Ndiaye, Gassama Kassama, Moussa Wali Youssouf Sabali, Pape Djibri Djaou Khalidou Koulibaly, Papa Abou Sissé, Chérou Kouyaté, Salif Sané, Lum Ndiaye, Alfred Ndiaye, Ismail Assar, Santingom, Sade Tchoub, Sadio Mane, Tiao Keta Balé, Chertidjan Doy, Idrissa Ganagay, Crépin Djata, Pape Aliou Diaye. Moussa Konaté, Baye Diagne et On Voilà les 25 joueurs convoqués pour ces, deux rencontres. Comme vous le constatez, il y, a de, nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui viennent intégrer le, groupe. Il y a aussi des, retours. Donc, euh, comme on l'a toujours dit dans notre philosophie, c'est partout où il y a un joueur sénégalais capable de nous apporter en plus, tout en gardant bien sûr le statut du groupe, être dans la continuité, mais ouvrir l'équipe à d'autres euh, garçons. Donc euh, c'est le cas de, de c'est le cas de, de Ngaï, un garçon qui a, qui a fait de très très très bonnes choses avec euh, la canne euh, humain. D'ailleurs, j'en profite pour leur féliciter officiellement, féliciter aussi Youssou Dabou pour le travail exceptionnel qu'il est en train d'accomplir. je vous remercie.